Umaru Maïdouma. Ladies and gentlemen, nous sommes donc au CFPM Taya. Nous allons rencontrer les artistes dans un instant sur l'émission Tous à la Fada. abba mai gida makanka aga to su ah. baba a daina tabi annan so mai sanka hankalinka ya kwanta baba Kairawa, malam sai kairawa. Kairawa, dan malam kairawa kairawa. dan haji kairawa rawa yi da, na ce malam kairawa. kairawa kayi na ce alhaji kairawa. ko miliyan ka bani zanu fadin kairawa. kairawa mota ka bani zanu fadin kairawa. rawa ko jirgi ka bani zanu fadin kairawal. Kairawa, baba rash Kairawa, kairawa kai kowa mai kairawa kai kalan kuma yayi rawa Bonjour et bienvenue sur Tous à la à votre émission hebdomadaire consacrée à la jeunesse au Niger. Nous parlons encore et toujours du Covid-19 car c'est la problématique actuelle du Niger et dans le monde. L'émission de cette semaine traite des conséquences liées aux mesures prises par nos autorités pour prévenir le corona virus au Niger. Rabi avait introduit le premier sujet en première partie d'émission en brossant la situation qui provoque actuellement dans le monde artistique et culturel au Niger et à Niamey en ces temps de Covid-19. Espace artistique et culturel fermé, concho et autres lieux de distraction fermés, bars, restaurants, boîtes de nuit fermées. S'il y a une branche professionnelle qui souffre du Covid-19, ça serait peut-être la branche des artistes et promoteur culturel évoluant dans le secteur de la musique et l'événementiel. Conséquence des mesures prises par les autorités en prévention du Covid-19 sur le show business, les métiers de la musique et mesures d'accompagnement du secteur. Tel sera notre sujet du jour. Et pour en parler, nous sommes avec Tonton Balthazar Rachid, c'est son nom. Nous vous souhaitons la bienvenue, Tonton. Merci, Dondi. Vous êtes président de la FNAC. FNAC, c'est La Fédération nigérienne des associations artistiques et culturelles. Donc nous avons une association avec nous sur l'émission. Alors qui dit association dit aussi un tourneur d'applaudissements des dizaines de gentlemen. Parce que c'est notre, notre manière de, les accompagner et de leur dire que nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes aussi avec l'Anassim. nous sommes avec Maman Sani, Maman Sani que nous avons tous connu dans le temps qui nous a émerveillés. Ok, d'accord, Maman Sani qui revient sur cette émission euh, pour défendre d'une manière ou d'une autre la cause des musiciens. Maman Sani, je te souhaite la bienvenue sur l'émission. Merci, merci, bonjour à tout le monde. Euh, salut Dandy. Ça va, non Ça va, je vais. Hum, je survis, on survit. On survit, super. <laughs> Alors, je suis aussi avec un autre jeune, ok, d'accord, a changé carrément de style. On le voit pas, c'est pas à la télé, mais quand même, il est un peu dans le style de Tonton Balthazar. Année désormais, c'est son nouveau look, puisque c'est la fada, on peut le dire sur l'émission, crâne rasé. Alors, Papus bon. on a la de Comment tu vas Tu as changé de style Je vois que le désert avance bien. <laughs> on ne vend pas la mèche d'Andy. Pour nous envoyer vos commentaires par rapport au thème du jour, c'est simple. Vous pouvez le faire au 80 06 80 et pour recevoir nos contenus envoyés jeunes au 80 06 90 54. Tout ça la fada, on est parti pour 35 minutes d'échange, de témoignages, de notes musicales et on va conclure aussi avec la chronique de Mr Olivier. la chronique hebdomadaire parlera de quoi aujourd'hui On va parler d'un marathon, mais marathon. un marathon organisé pour des hackers. Donc c'est plus un marathon, c'est devenu un hackathon. on se retrouve pour en parler. Tout simplement. Vous pouvez donc localiser, s'il vous plaît, actuellement, tonton, vous êtes bien placé pour nous de là où nous sommes. Nous sommes au CFPM, euh, au CFPM Taya, c'est le centre de formation et de promotion musicale à l'âge Taya de Niamey. D'accord. Conséquence, des mesures prises par les autorités en prévention du Covid-19. Sur le show business, les métiers de la musique et mesures d'accompagnement du secteur. C'est le thème à débattre. Et nous démarrons tout de suite avec euh, notre première série de questions avec nos invités. Écoutons ces jeunes qui ont réagi sur le WhatsApp du studio Kalangou Ladies and Gentlemen. Et tout de suite, la suite. Bon, de mon côté, euh, j'ai ouvert une petite boîte. Euh, je fais des clips vidéo pour les rappeurs, chanteurs et autres. Par ça, côté comédie, euh, moi et les gars, les les Loanous qui disent etc. Presque chaque jour de la semaine, on se voit, on fait des vidéos. Maintenant, on fait des vidéos pour stocker parce qu'il y a le mois de Ramadan qui vient. Donc pendant le mois, on va poster nos vidéos Ok, voilà ma réponse. Moi, en tant qu'artiste danseur, je m'entraîne à la maison déjà et je fais beaucoup d'exercices pour mon, mon physique aussi. Et en même temps, je réfléchis beaucoup sur mes projets à venir et Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eh, sunana Jafaru Anzali, dan wasa mawaki mazauni birnin Yamai. To gaskiya wannan hali da ake ciki na zaman gida da kuma halin hana tarurruka dalilin wannan annoba ta coronavirus ba karamin shahuwan mu yayi ba mu artist saboda duk harkokinmu sun danganta ne da sai an yi taro to kuma yanzu babu wannan tarurruka sai zaman gida Donc, c'est morose morose morose franchement lorsque l'artiste est confiné du coup bon pour ne pas perdre le fil quoi euh, en tout cas moi de mon côté euh, j'essaie de jouer des scènes avec ma fille donc euh, du coup elle est devenue une véritable actrice j'ai déjà que l'héritage puisse euh, se passer de façon normale, quoi. <laughs> en tout cas, on essaie de, de rester à la maison et d'être dans la peau de l'acteur malgré le confinement. Oui, depuis la cessation des activités culturelles, moi j'ai mis à profit mon temps personnellement à faire euh, un examen de conscience, à faire des exercices pour un peu améliorer mes capacités artistiques. Euh, j'anime un atelier sur WhatsApp avec des jeunes humoristes du Niger et du Mali et du, de la Guinée. Par ça, je travaille sur mon nouveau spectacle et je prépare aussi l'après-corona avec quelques amis. Tonton Balthazar, namade jeunesse, namade ankechi. Dir samu kuno haya kul kai kak. misali ga dir ce sanga culture do hara show business izan kai kang fatta et restaurant ai to son mone o masal fona gi hinga kande ir Artistai, artiste cediro wora yi ba funara don dino ni go ha moso moso oh. masal ai <laughs> mi mu danga ha diga ah himma danga ha me zama artiste mm. i gurfano igurfa ai sine ikanibo dai igurfa igurfa yongo gati kai na kan baza hano mhm. iye ga ga kul sambu koine ne bai kan yante mhm. gati fo ni bai za jonta jonta o manka za hano artistai niger wani icantai man sandi icantai tin. borkan canta tin za hano ikagin ce ka ni cirmo koyan ni bai kan gurfayan dainuwa to gurfayan rano artista go irme cino bon zama a manuwa na kalbor kansu su bai ni ga fata ga cini haura tabbatandi kanso su ba fatan sino ina ka sam sam sam danga cin di kai ni fono bo kan ni ginga ne ga ayo da ni diwala ina ka no sam sam sam hay kul no sino nin ci mai sonda fatan sino fori sino sin man kaina din koy sambunya mai talato wato music do hare irwana wani artistai hijai gono cabai gono batuyan gono kando iga artista burnye nodi nodi koi da bora do nga kaina aga sokon an bai matkan ga nga bafuna teda to mu fonne gidi wane kul pat ina tusuka matano wallahi votre structure en Maman Sani était devant la presse il y a quelques jours relativement à la situation de quoi s'agit-il exactement faites-nous part de cela les gens ont besoin de savoir Oui, ben voilà, Dondi, en fait, il essaie en fait, pour nous de faire le point mhm. euh, de la situation des artistes euh, musiciens et des, gens, de tous les gens du secteur des, métiers de musique. Donc, euh, depuis le début de, cette crise sanitaire, les artistes se sont mobilisés pour faire comme d'habitude leur, leur travail d'éducation de masse à travers, euh, donc cette fois-ci, pour la circonstance, dans le cas de sensibilisation contre cette pandémie, en tout cas tout ce qu'il faut, comment rompre la chaîne de transmission et tout, tout, tout. Il s'est trouvé que quelques jours après, euh, il y a eu, il y a eu les, les mesures prises par l'État du Niger, et mesures que nous saluons d'ailleurs, parce qu'elles ont véritablement contribué en tout cas à, à, gérer, si vous voulez, mm, en tout cas cette, cette, cette, cette pandémie. Euh, mais euh, les artistes, les artistes, il s'est trouvé que les mesures là ont fait en sorte que les artistes ne peuvent plus travailler. Et donc, compte tenu du fait qu'ils ne peuvent plus travailler, voilà, ça veut dire leur revenu s'est arrêté. Et du coup, aujourd'hui, si on doit leur demander encore de faire plus d'efforts de sensibilisation et d'éducation de masse, ils ne peuvent pas en toute sincérité. <clears throat> Parce que leur économie, ils n'ont plus rien. D'ailleurs, Rachid le disait tout à l'heure, que effectivement, ce n'est pas des grosses économies que nos artistes ont. En tout cas, 80, peut-être même, je dirais même 99%. Tout à l'heure, en ça, j'ai parlé de 95. Donc, vous voyez, ça veut dire que tous ces gens-là aujourd'hui sont, se retrouvent dans la situation, dans une situation de vulnérabilité extrême. D'abord, nous sommes allés, nous sommes allés vers le ministère de tutelle à qui nous avions expliqué la situation de la renaissance culturelle des arts et de la modernisation sociale. Et donc, euh, avec lesquels qui nous ont bien reçus et qui ont entendu notre cri de cœur. Mais euh, même avec cela, nous avons dit que nous allons faire le point de presse pour que l'opinion nationale sache et que, en tout cas, euh, dès, lors que, en tout cas, à travers le ministère, nous avons donc euh, comment dit-on, nous avons fait savoir notre situation donc au gouvernement de la République du Niger, mais il fallait aussi que l'opinion nationale sache que en ce moment les artistes sont dans un état de vulnérabilité extrême. Et donc d'où ce point de presse dans lequel effectivement nous avons donc lancé ces cris de cœur au président de la République et puis nous avons salué l'effort des euh, la force des agents de, santé qui sont en train d'affronter avec conséquence vraiment cette, maladie. pas dans l'oreille du on vous, êtes, vous étiez actif. blues sen je parle des jeunes parce que voilà to conséquences fono woni gote aram aram arambo vraiment conséquence e bagumo e bagumo iskanumo iskanu parce que euh, parce jeune en général les jeunes sortent pour se distraire ils fatta ko foru ils me gagnent et tout ce qui va dans le sens de la distraction, parce que c'est ça aussi la musique, c'est ça aussi la culture. Mais si on veut encore parler de la Blue Open Scene, c'était un, cadre, bien sûr, qui était là pour accompagner les jeunes artistes et tout ce qui va avec. Maintenant, les conséquences, c'est que ces jeunes ne peuvent, plus, ne peuvent plus venir faire leur euh, scène, leur euh, distraction. Donc ça a carrément freiné tout. Parlons de la jeunesse, ça ne va pas. Les jeunes n'arrivent plus à se distraire, les artistes n'arrivent plus à faire leur scène. Et surtout, reconnaissons les réalités nigériennes avant même euh, la pandémie, c'est pas que ça allait. Et maintenant la pandémie est venue à tout arrêter. Il n'y a plus de boîte, il n'y a rien, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de musique. Quant à moi, en tant qu'animateur, ça a tout freiné. Ça, vous ne direz pas le contraire. Les émissions, partout, il n'y a, plus d'émissions. Mon micro et tout ce qui va avec me manque, mon public. Et surtout. Ah, voilà. Gravement. Alors la musique aussi à sa place, les gentlemen sur l'émission. Vous qui êtes en train de suivre donc euh, cette émission tout à la fois à travers les 41 radios partenaires du studio Kalangou à travers donc le Niger. Nous avons en fait la chance d'avoir un artiste euh, ici avec nous, euh, un artiste musicien, il chante aussi. Alors, euh, Medouma, tu vas nous proposer certainement quelque chose. Ok, d'accord, un chant, parce que la musique a sa place. En une minute, qu'est-ce que tu nous proposes À Bougodouma Hakane eh, le ana iya yi amma tun da yanzu harkar nan ciki babu nauyi sai a hankali sai dai a hankali wai parce que wani ka san da ne ce il faut sinon il faut sinon sen monete parce que déjà ay bekan ni sigu du don kar jamara ne bore mis charmar donc ay bani min dukuri ka émission wa bodi sen sen mu kar yanzu ki ne bo wai haka nan da alan ta a gani to mu gani ya da gani yanzu bari mu dauko irin waƙoƙin mu tun tun tun tun da da irma te na da iye ankalilo iye ankalilo iye ankalilo iye ankalilo iya aikin mu ankalilo wace ce baba ankalilo rabi ce baba ankalilo sani na bi mat ankalilo rashi ce da bi bat ankalilo iye ankalilo iye ankalilo iye ankalilo iye ankalilo iye ankalilo iye an kalilo iye an kalilo iye an kalilo cikin yan aikin mu wane ne baba an kalilo ne baba an rashid zabi mai an umar ne auta an umar na wake to mun gode kuma studio kalangu cikin ma an kalilo sonin ni ndu wat fo den num faynum don don kargo don ha ay baba wallahi <laughs> mato non di fada se di fada man ndu ka ah, ndu kurka don no akusa gogo kusa habba wallahi ne go jini se amma son kuna akar aka aka ah. Conséquence des mesures prises par les autorités en prévention du Covid-19 sur le show business, les méthodes de la musique et mesures d'accompagnement du secteur. C'est notre thème du jour pour ceux qui viennent de nous prendre en cours. Pour en parler, nous sommes toujours avec euh, Tonton Rachid, nous sommes aussi avec Maman Sani, artiste nigérien, nous sommes aussi avec Umaru Maïdouma. Nous sommes aussi avec, euh, euh, bien évidemment, euh, Papus Tiemogo, <laughs> qui a changé donc de style. Évoquons les conséquences et impacts des mesures liées au Covid-19, euh, si vous le voulez bien, Tonton, avec votre permission. Oui. Parce que ne peut pas il faut qu'il me fonde une fonde à Boza Sintene. Ah, bismillah. Albargue émission Sintene, il fonde. Il y a de nous. il fonde pour deuxième partie. Irm Furo. Irm Koiba. Irm Dites-nous concrètement les conséquences directes, voire indirectes, des mesures étatiques sur vos activités musicales. Directo ou indirect. Et donc, pour répondre à ta question, je dirais que ce ne sont pas des conséquences liées à la musique seulement. Hein. Tu aurais remarqué, Maman Sani est là en tant que musicien, mais il parle au nom des artistes. Nom des artistes. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est le monde des arts, le monde des artistes qui sait là où il a mal. Et le mal dont j'ai parlé tout à l'heure en Zarma, c'est-à-dire euh, le monde des artistes est à genoux. À genoux, handicapé par ce qu'on sait. Dieu merci, c'est pas que les artistes et notre prière serait que nous multiplions davantage les prières parce que c'est une pandémie. Et quand on parle de pandémie, c'est que ça a touché le monde. Mais nous ne pouvons parler que de notre contexte. Parlant de ce contexte-là, nous allons dire que c'est toujours le même cri de cœur. Hein, l'artiste nigérien, dans son ensemble, a mal. jimno sando di mama sani na mina sani fo son no conséquence fo no go di kan wona ginga kande son son wol mo banda ba ir fatta krizo ra parce que ar murade kul kay kak mat so mo no bo ba krizo ban il faut duma no wona ginga conséquence wona ginga kande aran aywa parce que be ka kul han fo ar no ga ta aran bosi to di ne ni fatta ni ne concert sino ni gamba no se manga mat kana rang te fatta très bien. Donc, euh, euh, parmi en tout cas les conséquences directes de, cette, euh, de ces mesures préventives prises par l'État du Niger et donc cet état d'urgence sanitaire, on peut directement citer l'annulation des dates des spectacles. Et, là, je vais aller avec certainement pas des chiffres, mais au moins parler du fait que les orchestres, par exemple, de Niamey, de toutes les régions du Niger, donc les grandes villes du Niger qui jouent chaque soir il y en a pas mal qui jouent chaque soir, mais il y en a ceux qui jouent du vendredi au samedi. Et donc ça, pour ceux qui jouent par exemple du vendredi au samedi, il y en a autour de 13. Hmm? Ces orchestres-là, vous voyez maintenant, ça fait quelque chose quoi depuis le 18 mars, ils ne jouent plus. Vous voyez Donc combien de dates on peut estimer là-bas et ont été pour préciser, et, pour préciser, qui parle d'orchestre parle d'une quinzaine. De, voilà, d'une quinzaine. De, on, parlera d'une quinzaine de familles, de familles. Donc privées en tout cas de leur gain quotidien pendant 45 jours. Voilà. Et ça c'est juste une partie. Et aussi de l'autre côté, l'autre côté il y a aussi ceux qui jouent les, les, matins dans les baptêmes, dans les mariages, dans les cérémonies officielles aussi que l'État et en tout cas les institutions internationales font où nous partons prester. Donc tout cela s'arrête. Vous voyez ça, il y en a aussi des dates qui étaient programmées où les artistes ont déjà fait des contrats mais qui ont été annulés. Bien entendu pour la bonne cause. Voilà. Merci Maman Sani. Alors on va prendre une pause musicale. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous. Un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime tous à Fada, votre émission hebdomadaire consacrée à la jeunesse nigérienne reçoit depuis quelques jours dans une rubrique spéciale Covid-19 des artistes qui s'engagent dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Nous accueillons dans cette rubrique une diva de la musique urbaine du Niger, artiste avec un engagement déjà reconnu dans le domaine humanitaire. Elle s'inscrit désormais dans celui du Covid-19 elle, c'est l'artiste chanteuse Philo la diva. Eh, je te souhaite la bienvenue, Philo. Salut, Dandy. Non, j'ai veux un truc. Salut, Dandy. Salut, Dandy. Alors, dis-moi, est-ce que tu pètes la forme, Philo la diva Je vais très bien. Super. Alors, on va parler aujourd'hui donc de cette maladie du coronavirus. Alors, Philo la diva, on sait déjà que tu fais partie des artistes engagés euh, qui ont donc euh, d'une manière ou d'une autre apporté leur contribution ici même au sein du studio Flo. Alors aujourd'hui, on va d'abord t'écouter et on revient dans un instant pour la suite de ce que nous avons commencé. Alors Mr Flo, avec ta permission, on est allé. c'est ce que tu viens à l'instant de dire, n'est-ce pas, la diva Effectivement, Dandy. Alors, explique-moi un peu le contenu donc de ce refrain. Euh, voilà, c'est très simple. Le contenu de ce refrain dit tout simplement que le coronavirus existe. Pour l'instant, rien ne lui résiste. Donc, protégeons-nous. Protégeons-nous, chers amis. C'est ça. On se protège comme on dit, fille la diva. Parce qu'au fait, il y a des jeunes qui ne croient toujours pas à l'existence de cette maladie. Tu leur dis quoi euh, non, moi je vous dis très simplement que, chers amis, vous pouvez voir à travers le monde que vraiment ce virus existe. Les gens sont en train de mourir en Europe, jusqu'à la Mecque, en Amérique. Les grandes puissances n'arrivent pas du tout à dépasser ce niveau-là. Alors, chers amis, prenez ça au sérieux, c'est pas de la blague. Tout simplement. Alors, on te connaît déjà assez comme artiste engagé avec le coronavirus. Quelle est ta stratégie de lutte Ma stratégie est très simple, c'est pour ça j'ai décidé de venir au studio me joindre à mes frères artistes pour qu'ensemble nous puissions prêter notre voix au sirop pour pouvoir euh, dénoncer et vraiment sensibiliser la population par rapport à cette maladie. Alors quel serait ton mot à l'égard donc de tes fans, ceux qui kiffent la Diva sur cette émission Pour tous ceux qui kiffent Philo la Diva, je vous dis, je vous aime. Nous nous aimons, on dit toujours aimons-nous vivants. Donc protégeons-nous. Coronavirus, c'est vrai. Tout simplement. Alors tu sais que j'aime bien ta voix. À chaque fois que tu chantes, tu me donnes la chair des fous, tu le sais. Alors je voudrais comprendre le Niger parce qu'on aime bien le Niger. C'est pour cette raison que nous sommes là. Nous luttons contre le Covid-19 pour que et Kuldi. Alors quelle serait toi ta contribution, le son Niger sur ce beat Le son Niger sur ce beat Waouh hein? wow. Inspiration. Inspiration. Mm-hmm. kasatalbaalka kasataadadin rayuwa kasataadalchi kasadabaabu bambanchi kenikemawaaka kedabakida kama niger takonchalwankali oh, eh. Le type dit avec ta voix, ladies and gentlemen, vous qui êtes en train de suivre cette émission fait partout au Niger, voici donc pour vous le son Niger de Philo, la diva. Eh, vous êtes sous le studio Kalango, c'était votre rubrique Covid-19, l'artiste s'exprime. Hey. Une belle terre avec un joli désert. Je suis fier de toi, mon Niger. Toi qui ne ressemble à aucune autre terre. Source d'égalité, d'intégrité. Nigériens, nous devons travailler, nous sacrifier pour construire ce beau pays. Je t'invite à te lever et viens chanter avec moi cette belle mélodie. « Alboré, da wai borai kamba ñum gangwa ne respectons les gestes de barrière on On kunne yaji skiyashira hey vous écoutez toujours tous à la FADA. Nous sommes euh, au CFPM Taya. CFPM Taya est situé juste à côté du CCOG. CCOG Mosikala, Komseria, Hinehabu, Rompongobon. Pour parler avec nos invités du thème Conséquences des mesures prises par les autorités en prévention du Covid-19 sur le show business, les métiers de la musique et des mesures d'accompagnement du secteur. Je rappelle que nous sommes avec Oumarou Maïdouma. Nous sommes aussi avec Papus Chemogo, nous sommes aussi avec Tonton Baltazar. nous sommes aussi avec Maman Sani. Euh, mesdames et messieurs, restez en notre compagnie, c'est que du bonheur. Hein. Aujourd'hui, ben, la table, elle est bien garnie. Parlons à présent des mesures palliatives face à cette situation difficile d'arrêt des activités musicales festives et distractives et qui privent les artistes et autres intervenants du domaine de leur gagne-pain. Pont de Presse, c'était est-ce que situation barmina idu fondo sambo wolmo dey hein. hmm. euh, sérieusement nous avons fait <laughs> nous, avons fait ce que nous avons estimé être juste mhm. c'est-à-dire informer l'opinion nationale et en tout cas d'abord aller vers les autorités à travers le ministère de tutelle. Après, nous avons fait ce point de presse pour informer l'opinion et lancer le cri, notre, notre cri de détresse à l'endroit du, du président de la République, chef de l'État. Euh, nous sommes, dans tous les cas, on va dire que nous sommes, euh, nous sommes en contact avec le ministère par rapport aux mesures d'accompagnement peut-être dans notre, dans notre domaine. Nous attendons de voir concrètement ce qui va se passer, mais euh, en tout cas, nous avons espoir que quelque chose pourrait, se, pourrait venir de, de là-bas. Et dans ce cadre, dans ce cas, personnellement, moi, je me dis que aujourd'hui, on voit le cas de certains pays où nous savons, je vais prendre directement le cas du Sénégal du Sénégal qui ont commencé, qui ont commencé après nous. Les, ces genres d'offensives, si vous voulez, ces, ces genres de, plaidoyer auprès des autorités, ils ont, commenté, ils ont commencé carrément après nous, mais euh, je crois que hier, hier soir, hier, en tout cas la journée d'hier, ils ont eu gain de cause et il y, a eu de, il y a eu en tout cas un budget qui a été dégagé. Et je vous parle d'un bon budget qui a été dégagé pour, euh, pour le secteur des métiers des musiques. Voilà, donc euh, moi j'espère que vraiment chez nous aussi, il y aura cela, même, euh, même si peut-être que ce n'est pas forcément un budget avec de l'argent qui va être, ce qui est même l'idéal pour nous, parce qu'aujourd'hui par exemple, en tout cas pour les cas des musiciens, nous avons fait le. Nous sommes en train de le faire encore, mais en ce moment, nous avons déjà recensé euh, autour de 2480. Voilà, en tout cas, un chiffre comme ça, je n'ai pas le truc, l'ordinateur devant moi, mais en tout cas, nous avons recensé plus de. autour de 2500 musiciens euh, au Niger. Donc s'il faut voir ce qu'il faut faire pour nous, ne serait-ce que dans le cadre de ces musiciens que nous avons recensés, ce qui n'est même pas le 1 cinquième des musiciens, peut-être même le 1 dixième des musiciens et des gens du métier de musique. En fait, nous, aujourd'hui, la nation prend en compte même les DJ. Et dit normalement tu dois faire partie, aussi les musiciens, les, tout le monde, DJ, les animateurs culturels, mhm. les promoteurs de spectacles, les, vendeurs de disques et tout. Mhm. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est vraiment une grande une grande population qui est là. Merci. En tout cas, on va euh, permettre aussi au tonton de placer euh, à Mtir ces pistes de solutions pour le fond Parce que mm, mm, on appelle mon Karang lancé Borega euh, pour que artistes nigériens on est cool. Parce que après tout, vous défendez les piste intérêts de solutions, Solution, Dondi, piste de solution, bien piste de solution, Ganda. Irwo, Irsiker Kambatanfa. din ma mamman sani niki sai kai laboratoire rana fata deja deja irwo salan zabanda oh irsi irsi cer kakau irsi zama kim sani wa zari naka zari naka oh, me -hmm. et puis bore him ga bai kun kan artiste mm. eh ba bore wenji in gai gati ir labo na mai wani ganjo borkul mo siba nga ganjo nga, nga namo ima lamba ga son kufa ima to a ganjo ga ya dinga da ya bora ga ba irna mai ma wadata irna mai ma bangai wallahi ima sala artist aran ma hankan aci ai wo kan ga tontona ga don to wallahi ma to no jeno ne menace en tant que acteur de cette situation Et vous aussi, vous avez des propositions pour tenter d'améliorer les choses en tant que jeune Oui, bien sûr. Parce que ah, eh, Là, c'est ce qu'on va d'abord dans un premier temps en tant mm. que jeune, mm. c'est d'abord euh, d'accompagner ceux-là qui nous permettent de nous distraire. Quoi. Mm. Parce que s'ils sont accompagnés, qu'ils sont dans les conditions. Donc, nous ah, aussi on va sortir, Parce que s'ils ne produisent pas, nous on peut même pas leur. Parce qu'on accompagne aussi les artistes en tant que oh, jeunes. Euh. Alors pour produire, il faut, il faut avoir quelque chose au préalable, il faut qu'ils aient vraiment de quoi produire, parce qu'il faut le dire, faire un mois ou 45 jours sans activité, le mois de Ramadan est là. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'après le mois de Ramadan ou carrément après le Covid-19, ces artistes peuvent rentrer en studio C'est Alors, pour finir les dizaines de Gentlemen, sous l'émission Tous à la Fada, nous allons accueillir Mr. Olivier pour sa chronique, un maximum de bruit ou morou, pour donc accueillir Olivier. Salut à tous. Dans le mots de l'actualité qui revient dans cette période de pandémie figure le thème Hackathon. De Paris à Durban, en passant par euh, presque tous les pays du Sahel, des jeunes et surtout des passionnés du web organisent et participent au hackathon. Mais m'expliquer ce que c'est que le hackathon. Exactement, grand frère. De prime abord, ce mot ne vous dit presque rien. Mais au fond, c'est un mot qui n'a rien de spécial. Et ce soir, je me suis dit, ce serait bien que je partage ce que c'est que un hackathon. C'est un mot composé de hack pour les informaticiens et marathons. On connaît tous ici les marathons. Bon, attends. Bah... Eh, tu peux me faire hack Caton. Hack Caton. Ah. ah ouais, ça le fait. À la base, un hackathon est un événement durant lequel des groupes de développeurs volontaires se réunissent pendant une période de temps donnée afin de trouver sur des projets de programmation informatique en mode collaboratif. En gros, c'est un processus créatif aux objets larges et variés, souvent axé sur la proposition de solutions informatiques innovantes. Mais attention, avec le temps, les choses ont évolué. Les solutions peuvent être des propositions non informatiques. Je vous donne un exemple. OK Si un groupe de jeunes de Dosso décide de se retrouver à travers un réseau social, par exemple WhatsApp, et décide de réfléchir sur comment offrir un puits à leur localité, alors ils sont en train de faire un hackathon. Et aussi, une chose à préciser. À la fin d'un hackathon, un ou plusieurs projets sont sélectionnés et accompagnés. Alors, qui finance ou qui peut financer un hackathon ah. C'est la question qu'on se pose, n'est-ce pas Oui, bien sûr. Tout dépend de l'intérêt de l'organisation. Tout comme un projet, un hackathon peut être financé par un sponsor privé, un État, un groupe de personnes ou une organisation. Comme on le voit en ces temps de coronavirus, la Banque africaine de développement a organisé un hackathon pour des porteurs de projets de lutte contre le Covid-19 ou des projets allant dans la gestion de l'après-pandémie. Mais si aujourd'hui, tonton, votre organisation s'appelle comment La FNAC. Si aujourd'hui la FNAC décide d'organiser un hackathon pour trouver des solutions qui minent le secteur de la culture, cet, hackathon peut être financé par la FNAC ou bien les partenaires de la FNAC. Mais à la fin, l'objectif, c'est d'avoir une solution à un problème déjà identifié. Ok, d'accord. Comment les hackathons sont organisés en cette période de crise Alors, grosse question, Dondi. Tous ces hackathons sont organisés en ligne avec des outils de travail collaboratifs comme Slack, Trello, WhatsApp. Les participants travaillent sur des solutions diverses depuis leur salon et le soumettent à un jury qui décide à la fin de quel projet valider ou ne pas valider. Au Niger, <laughs> est-ce qu'il y a donc euh, des perspectives euh, de hackathon Ah, grosse question. Ah. Selon certaines organisations technologiques, bientôt un Corona Coronacaton. Ouais. là, vous avez pigé. Ouais. <laughs> donc bientôt un Corona coronacaton sera organisé au Niger. L'objectif sera de trouver des solutions dans la gestion de la pandémie et surtout surtout préparer l'après-pandémie. Au moment venu, on parlera justement des étapes d'un hackathon. Corona hackathon, donc il pour Corona, y aura. Euh, Merci. en tout cas, euh, Mr. Olivier. Alors un dernier mot, une phrase pour donc dire au revoir à nos amis auditeurs auditrices. Un conseil, une conclusion. Toujours difficile, mais je dirais seulement que euh, nous allons nous croiser les doigts et demander à toute la communauté d'intensifier les prières pour que Dieu nous sorte de cette hécatombe. Maman Zani, un mot à placer, un mot de fin en ce qui concerne le thème du jour. Euh, bon, c'est franchement, c'est pour juste les de Rachid bien hein, dire que nous prions et nous euh, nous exhortons tous à continuer la prière pour que Dieu vraiment nous fasse euh, et nous délivre de cette, de cette pandémie. Quoi. Papus Oui, à, ce stade, tout ce que nous pouvons dire, c'est la prière. Prions seulement que Dieu puisse vraiment nous sortir de cette pandémie, tout simplement, Et aussi les autorités pensent vraiment accompagner ceux qui doivent l'accompagner. La machine et les humains étaient au CFPM Sur ce,